armati euh, wankujembe katankene joodu panjak présidentgagné mhm. alu ko ŋaali mhm. eh, malagana moto kuma matagana koru ko ŋaali ko ña mhm. kaso to banero mbiwlaw bayi a bayle bayi inchallah wulawta eh, eh, yo a barka a barka bio vraiment di contane contane fan e pour depuis mamoudou vraiment yo yo a pastef ban mu jike jike u ko mun u ko mun eh kamana ja ta bulan do do dinjona bisade wa eh ba ngi wure kuna kuna kuna kuna butu mun kané dubul nga kuna kuna butu mun kané dubul nga nak eh jalo bi depuis aha mala season ni ok ok ok yo numbara numbara numbara barka barka libéré

Voilà, toujours à Chor, Voilà, policiers en tout cas, nous repoussons encore les militants. Voilà, donc nous les repoussons encore, nous les repoussons. Voilà, militants, nous euh, libérer son corps, Sonko son corps. donc de euh, Donc, ñu ngi noonu voilà en tout cas on est dans poussé voilà ni poussé voilà donc ni ngi Ni ngi Voilà, voilà à 100 mètres du tribunal voilà donc ni euh, ngi noonu doomu Macky voilà, en direct de Ziguinchor. En direct de Ziguinchor, ñu ngi échanger ñu ngi échanger ak policiers donc fii lañ taxawoon tranquillement sans problème ñu ñëw voilà ñoo ko ñu repoussé ñu. C'est ça ñi noonu ñu ngi ni Ziguinchor en tout cas Macky Sall bëggul jàmm bëggul jàmm voilà patriote yaa ngi nii jóge fu nekk jóge fu nekk pour nous défendre le projet de PASTEF. Voilà. Mais mon Maxal, moi, euh, le projet de PASTEF, voilà, d'outils euh, euh, responsables. Voilà. Donc parfois, moi, je suis visé. Responsable, responsable, il est mais responsable, Voilà, donc euh, le problème est réglé. Mais là, je suis sais c'est un phénomène voilà donc ci loolu a na joxe exemple ça bu Jamil Sané maire de Parcelles Assainies voilà japp na Jamil yaakaar ni voilà Oubino euh, na buntu qui di euh, euh, Amadou Amadouba. voilà il se trompe lourdement Macky voilà nous ngi nonu ak policiers en direct de de voilà patriote Ok. Mais non, en tout cas, en tout cas, voilà, nous sommes patriotique, nous patriotique. Voilà, mais nous ba résister dina de bouger voilà voilà voilà tu ngi tu Tu es préfecture du Sort voilà faut lañ nekk nii face to face voilà entre les patriotes et les policiers donc nous ngi nii taxaw jàkkaarloo nous ngi nii à face to face voilà dégg ngeen policiers corrompus, libéré le président Ousmane Sonko donc en tout cas patriotes yi un peu partout. beneen côté bi tamit patriote yi yaa ngi foofu ak suñu yaay yi voilà donc fii tamit wet euh, préfecture voilà am na benn troupe bu suñu mama yi donc ñu ngi foofu toujours fii tamit toujours foofu ci même lieu bi wet euh, préfecture bu Ziguinchor voilà policier euh, militants yaa ngi noonu patriotes yi donc ñu ngi ni jàkkaarloo ak policiers yi. jàkkaarloog policier. voilà image dit ngi noonu face to face face to face voilà nous sommes face to face voilà donc les jeunes demandent la libération immédiate du président Ousmane Sonko. Voilà, ils sont là. La jeunesse est là. La jeunesse dit oui au président Ousmane Sonko. Le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais dit oui à la candidature du président Ousmane Sonko à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Voilà, libérer, libérer le président. Voilà, Nini Nonou. En tout cas, la jeunesse réclame, réclame leur candidat qui est le président Ousmane Sonko. En tout cas, nous avons attroupement commence à am. Voilà, commence à am entre policiers et patriotes. Voilà, donc nous avons

na lépp suñu président loolu la so euh, soxla patriote aussi loolu lañ soxla mais lépp voilà donc loolu lañ soxla les policiers yi ñoo wax loolu voilà ñoo ko leur ak kii ku fa jegewoon euh, Cheikh le grand patriote Cheikh Thiam voilà on est là voilà Abdou est là le maire c'est bon c'est bon voilà nous provocation une provocation patriote du voilà donc nous avons voilà donc patriote nous avons Abdou Abdou Mané policier voilà moi échange voilà donc nous avons une nos mamans voilà, ils sont toujours au devant de la scène. Si maman les braves dames de la Casamance Ni non, non. jàkkaarloo ak policiers Jacques jàkkaarloo policiers nos braves mamans. elles sont là non,

elle continue à résister donc en tout cas policiers dès dellu nañ ginnaaw policiers yi dellu nañ à ñu ngi nii commencé nañ à commencé nañ dóor commencé nañ d'or, lacrymogène voilà mais si nous suñu yaay si nous maman, yi bougé ñu ñu ngi résister donc fi Casamance nos mamans nos braves mamans voilà nous avons une engagé hein. je peux vous le dire. Nous yaay yi ñoo gën a engagé wu ngi ñëw may les gens courage pour nous vraiment repousser les policiers Les policiers yi voilà Famille yi ñoo nekk ci euh, ci kanama ah. c'est extraordinaire c'est extraordinaire ma maman ñoo nekk ci non non voilà Nous ngi jël barrières yi avons des ngi barrières yi di tëbal ngi barrière euh, policiers ginnaaw gars yi bu ñu reculer bu ñu dellee ginnaaw voilà ñu ngi tëbal sai Wow.